sikoi farai hinne gari na ga furan kanike wandi yayi walu walu ya yora ai sikoi farai hinne wochi basiru seka amana garu furan parce que ga wandi kosare wodi mborda ago recrudescence du grand banditisme bonjour et bienvenue dans tous à la fada votre émission hebdomadaire ai consacré à la jeunesse nigérienne. Nous l'avons dit, la FADA se pose dans la cité de Germakoy à Dosso pour parler des préoccupations de la jeunesse dossolaise avec les jeunes eux-mêmes et certaines autorités de la région. Alors pour cela, je vous demande de faire un maximum de bruit pour tous qui sont autour de la table ce soir. On continue les échanges sur le grand banditisme dans la ville de Dosso. Comme vous savez, hier, Rabbi Mekano a parlé des causes et de la recrudescence du grand banditisme chez les jeunes. Nous, aujourd'hui, on met l'accent sur les conséquences et les mesures prises pour atténuer ce phénomène. Nos invités, M. Idrissa Adamou, secrétaire général de la mairie de Dosso. Monsieur, bonjour, vous allez bien, Matarango Bonjour, monsieur. Matagam. Matagam, Ça va, non Soyez les bienvenus. Oh, ben, euh, merci en tout cas, l'accueil était oh, euh, chaleureux. Eh on était dans les locaux de la police, on était eh. dans les locaux de la gendarmerie. La eh. mairie nous a facilité la chose. La police ne s'est pas présentée sur l'émission, la gendarmerie non plus. Ils sont censés nous donner des données, on n'a pas encore reçu les données, mais nous avons une mission, on doit accomplir notre mission. Parce que cette mission aussi, c'est d'accompagner justement la police et la gendarmerie et les forces de défense de sécurité pour donc euh, euh, stopper ce phénomène. Mais il manque S'il Nous sommes aussi avec monsieur Ali Seydou Yaye, président régional de la jeunesse de Soulaise. De faire maximum de Président, ça va oh Oui, ça va. Jeune quoi ça va Oui, oui, ça va. Nous sommes aussi avec M. Alidou Boubacar, professeur ce jeu de, de Monsieur, vous allez bien qui dit grand banditisme euh, parle aussi de la jeunesse parce que quand on a l'âge un peu, genre euh, euh, au collège, des fois on se permet de s'adonner à un certain nombre euh, de pratiques euh, qui peuvent être contre vous et contre toute la société. Alors pour cela, nous avons aussi certainement besoin de vous pour quelques conseils, des mesures à prendre pour stopper carrément ce phénomène. C'est pas c'est pas cadossé, c'est partout au Niger et nous ferons le tour, Inch'Allah. D'accord. Vous allez bien Je vous, demande de faire un maximum de bruit pour le L'émission aussi se veut jeune, l'émission se veut publique. Je suis avec une jeunesse, une jeunesse short. Est-ce que vous êtes là ce soir Hey Hey Hey Hey, Voilà, d'accord. Des questions d'auditeurs, des réactions et de la chronique avec notre Olivier Amou, le maître des infos buzz du net, le paparazzi maison. Alors, dans un instant, nous l'aurons donc euh, en fin d'émission pour nous parler de tout ce qui fait le buzz, le buzz et le bouse. s'il faut appeler les choses ainsi. Les premières victimes du banditisme sont les populations. Alors, on a voulu euh, savoir comment est-ce qu'elles vivent cette situation. Elles sont au micro de Abibou Garba. On le suit et tout de suite. La nuit, moi, je sors à 20h, je rentre. Donc, ce qui est sûr, c'est pas bon de voir ce qui se passe en Europe et en train de se passer dans notre pays en tant qu'un pays musulman. ne 21h 22h 23h iner ni go goy enor fo chino borgo chichi is futai chino ranu ga bora ke me zani ma ni na ke walim ne ru e pin nan kan ni bay kon ni 1000 francs imne ne 5000 ne ya 15000 ne ya ni bay kan bar wani mota ni gaba an ga ta bar ya kan mu mun ina aiki mu zaka rarra mu kwanta ba ke aikin mu kenan rarraban yawo to mi zaka ne yawo banda wata burrawa banda komi haka to wallahi ba mu ga dai fuwa dai bisa zamanu ba fatuwa wallahi ga ha mai da ba mu fatuwa ba ko sirini gado ne ni ban cika ta cikin dare in ka gane ni cikin dare to yana yawan aike ni ne shi kadai na zai sa shi to da dare amma in dai kabu kabu na dare a ni gaskiya kai bakin dai an ce maka ba ta yi shi kenan ni na sauka aka ce tsaren kayan ka ya haiban cigiya ya inda inda monsieur le secrétaire général de la mairie de Dosso vous avez écouté avec intention et intérêt la population de Dosso on voudrait avoir vos réactions par rapport au Vox Pop s'il vous plaît et bonjour monsieur <coughs> on vient ensemble d'écouter ce passage mhm. c'est vrai c'est inquiétant mhm si on sort de chez, de chez soi pour aller revenir, ne serait-ce que pour un laps de temps, et mhm. qu'on n'a pas la conscience tranquille mhm. pour aller quelque part revenir, mhm. je pense bien que c'est inquiétant. Si ma propre maison, il suffit d'aller voir la grande famille revenir. J'ai des arrières pensées que quelqu'un va venir défoncer ma porte. On n'est plus tranquille. On n'est plus tranquille. Dans mon chez. Dans mon chez, évidemment. en termes fada. Que ça soit au centre-ville ou bien dans les périphéries, vraiment c'est inquiétant. Ok. Vraiment, c'est inquiétant. Inquiétant. Oui. On va parler. Donc, qui dit inquiétude dit aussi des mesures à prendre. Oui, On va parler de cela dans une seconde partie de cette émission. Monsieur le jeune, nous voudrons avoir votre réaction par rapport donc à cela. Moi, en tant que jeune, j'ai envie de sortir. Je suis obligé de, de, de, de, de, de, de, de Est-ce que nous, en tant que jeunes, réaction nous par rapport à ce vox pop <coughs> euh, Vraiment, comme quelqu'un euh, l'a si bien dit, mhm. il faut d'abord être son propre, en tout cas, euh, protecteur. Mhm. Parce que souvent, on a notre part mhm. de responsabilité dans certains cas de, violence faite à notre, à, notre regard. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple les cas, les cas de Kabukabu, souvent... Euh, il y a des endroits où on sait que, par exemple, à 5000 2000 on peut, on amener un client. Mhm. Mhm. Et peut-être un client vient, il vous dit, va dans l'endroit là mhm. et il va vous donner 25 000, 50 000. donc, qu'un Voilà. Et là aussi, il la faut... la bouffour garora. Voilà. Donc vraiment, euh, on est responsable aussi, en tout cas dans certaines choses, mhm. certaines heures aussi tardives. On sait que vraiment, euh, en tout cas, un bon humain ne peut pas, en tout cas, pas sortir, par exemple, à 2 heures du matin. Mhm. On est dans la ville en train de circuler pour chercher quoi. En tout cas, parce que même si c'est pour acheter quelque chose ou peut-être pour faire la fada, on sait qu'à 2 heures du matin, par exemple, au-delà de ça, au-delà de 1h du matin, on sait que pratiquement la ville est menacée. Du moment où c'est une ville, vraiment, il y a toute euh, forme de menace, il y a toute forme de, de violence, d'agression. Et même, même le fait, tout simplement, que peut-être la police t'attrape la patrie. Mhm. t'attrape, Tout ça, c'est vraiment des, trucs à éviter pour ton image parce que dès qu'une fois la patrie t'amène au commissariat, on t'enregistre dans le registre et si ça devient répétitif, il y a en tout cas une suspicion à, te reprocher. Voilà. Donc, euh, monsieur le jeune, moi je n'ai pas le droit d'aller faire le show en boîte ou je ne sais pas quoi. Non. Forcément à 23h je dois si. il y a des... présidents Oui. Monsieur le professeur. Oui. Je suis en face de vous. Oui, tout à fait. De vous à moi. Oui. Je voudrais au fait avoir votre réaction par rapport à ce que nous venons d'écouter. Eh, vous avez propos sur l'émission. Oui. Bon, moi, mon avis, c'est que ici à Dosso, comme partout ailleurs, mhm. c'est le même phénomène. Mhm. C'est le phénomène du banditisme. Ça, existe partout. Mhm. À Niamey, dans les autres régions, partout, ça existe. Bien sûr. Donc, Dosso ne peut pas être à reste. Et Dosso, selon, euh, d'après sa position géographique, mhm. Dosso est un carrefour. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent tout le temps, en tout cas, à n'importe quelle heure de la, de la nuit, il y a des gens qui passent et mhm. qui. Donc, ce qui fait que ce qui fait de Dosso un carrefour. Alors on va donc permettre aussi au public de dire un mot par rapport, parce que nous sommes aussi avec, nous sommes entourés des jeunes. Ils, ont aussi certainement leur mot à, placer par rapport donc à ce reportage. Alors le micro baladeur est là. On va donc permettre à un monsieur qui est là juste en face de moi, il va se présenter. Il est habillé en jaune. Il est choco. Je vous demande de l'applaudir parce que l'émission aussi se veut jeune, comme on dit. Vous allez bien, monsieur Voilà. musicalement parlant parce que au studio 38 radio partenaires bukaresi don don kain Vous bukaresi bitare ba ukami abi abi walay ba bi ngwa a go aparma ara antrine cervan no wala donc je suis un acteur de la société civile. Acteur de la société ah, civile oui, oui. Vous défendez les euh, causes, les vous défendez les intérêts matériels et moraux de la société de civile. la société civile en général. Ah wala ka dama ci azan kay da dotti je riwa kulli wode société da en ligo ga ligo ga ligo ba wani problem ni société mo jeune mo ba ko ma zama ah, eh mai ke ti société jeune de na sintin dame ay ah, ah, le jeune de ni sintin dame hmm. la sécurité la paix c'est ça même la vie hmm. et c'est dans l'intérêt des jeunes hmm. parce que si tout va bien c'est eux qui profitent dottija ya da ko kwan safu jingara ko funno ngi jirbite dottija dan safu jingara gwa ko ngente jana binenge wo lokci on cinno izaro gisintin afon andu kuba fun noy zaro gisintin donc ni de de la kalkana sino zala enfant ine gicino koino zala iga kanu de la kalkana sino de insécurité go si gono chapa pasgas ifon gon bosine kete timino senori ari di ayo <laughs> ifon ste zare bora <laughs> ah, eh, to wadala eh, nim bum bora adaga bay to ay bum bo jeune nom ay bum bo jeune oh, zifutu <laughs> <laughs> donc on a eu donc la réaction de la société civile. Elle eh, est jeune. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire hein Vous êtes d'accord <laughs> on va revenir avec la jeunesse, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Plus d'interventions. Tu l'intervention. Alors, on va aller cette fois-ci. On va s'adresser au secrétaire général donc, euh, de la mairie du Dosso. On voudrait donc euh, lui poser la question suivante. De la ici, de jeune ego en dans jeunesse. De jeune ego de jeune ego agressé, de jeune ego char Il faut dire que tout est aux conséquences, il faut dire que Conséquences Conséquence au cas Kandir le gabem, mm. ça c'est palpable. Mm-hmm. Aujourd'hui, il ne sert à rien d'amener un jeune l'emprisonner. Mm-hmm. Ça va freiner son évolution. Il ne sert à rien de. Mm-hmm. Il y a pas mal de conséquences qu'on peut énumérer ici, lister ici, que cela peut engendrer. Ok. Ah oui Super. Ah On va revenir avec vous dans un instant cette émission. Monsieur le jeune, <coughs> quelles conséquences sur la vie des jeunes de Soleil Ok, euh, pour moi, euh, la seule et la principale conséquence, en mhm. tout cas de la délinquance et du banditisme, la ville devient en tout cas une ville euh, pleine d'inquiétudes mhm. et l'économie locale sera aussi dans une incertitude. Mhm. En tout cas, dans l'ensemble, la ville, l'évolution, ça impacte négativement le, développement le développement local. Voilà. Monsieur Ali Boubakar, dites-nous. Les conséquences. sur la population. Oui, les conséquences, c'est à long terme et puis à court terme. Uh-huh. Donc, à court terme, ça, ça freine le développement, les activités économiques et autres. Uh-huh. Celui qui entend ces déjà de choses même si la l'intention de venir à, Dosso faire des activités, il ne va pas venir. Mhm. Donc à, long terme, ça, a des conséquences sur euh, le développement général de, la région mhm. et de, la commune en général. Tout simplement. Alors on va cette fois-ci euh, dire la conséquence sur la société civile. C'est très important. S'il faut parler de grande banditisme, conséquences font la société civile au bon. Euh, conséquences au cas au mhm. je ne vous dis ni la savou parce qu'on connaît les jeunes c'est l'espoir conséquence o kangono gono mm. eh c'est que wakir wok vivre son en kitin a ah. Eh, euh, jeune eh, hmm. c'est à dire ils sont que hmm. Mourad Mourad Foucausino même leurs familles hmm. ne peuvent pas compter sur eux on connaît dit mais de tigeno quoi au coin gorga taille c'est pas une conséquence conséquence non grave même alors que watri ni sidiame hal de tigini ngi haddan ko faire zankani donc zone de ils sont au eh, champ les enfants sont à, ils posent le tigé parce que c'est ça ouais donc halen no kayen grand bantis c'est pour montrer que le lendemain devient incertain nous avons un lendemain incertain avec des jeunes qui sont au proie au banditisme chronique. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont ici compté souvent. Ils ont dit que nous sommes tous les deux qui sont on kuno hankay go gidin on kun ba nge sinke bo sinke bo sambu sakum bo fo sambu conséquence non wala voilà mais frastam pas sanga ir si koynan kulayo si koynan kulayo funa goro fuma igo goro ceci fo sino est ce que wone no go kande masala e wokulu insécurité jene di cerga mara bon wol criminilata wol mo gambanditisme D'un côté, oui, d'un autre côté, non. Mhm. Si le jeune mhm. décide de rester chez soi il mhm. et ne, ne sort pas de, de, sa ville ou bien de, de son pays, il peut être élève, il rester suivre ses études convenablement. Très bien. De l'autre côté, si il abandonne l'école ou bien il n'a pas eu la chance de suivre ses études et qu'il se fixe un objectif de ne pas sortir de chez lui. Mm. Rester chez soi seulement à faire la fada, ah, dans ce cas, c'est dangereux. Bien sûr, parce qu'il va vouloir du gain facile. Ah oui, on ne peut pas éduquer son propre enfant dans ce sens. Mhm. On ne nous a pas éduqués dans ce sens, bien je pense. Bien sûr. Donc, les parents ne doivent pas démissionner. On ne doit pas démissionner. L'enfant, c'est l'enfant. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci à Est-ce que le fait que ces jeunes-là ne sortent pas, ils aiment, ils aiment, ils ils boboy est ce que wono angon ngono kanda hayo fune go goro ay wis fatta ay snaro est ce ay o hmm. gorde fo ku kan ay o gorde fo ami ay go gor fu mo ay sinday fo kay goti est ce que non de yen woga ngono ngono kan eh ay wadi yen waga hmm. ago ago hare kan yango contribuer ay hmm. kan go tonton eh wan wan is futra am bagumo parce que zani gor fu ni sinda kul kan mot kulkan kul kan ni ciada sur kul kan ni hin lokaci kakan monsieur Ali de euh, Vous conscientez, est-ce que vous sensibilisez aussi ces jeunes qui ont préféré rester à la maison Est-ce que vous leur est-ce que véhiculez un message dans ce sens pour leur dire bon, écoutez, réussissez dans l'école, évitez ceci, évitez cela Est-ce que vous contribuez aussi à faire conseils. À, travers, des conseils, on, on, de conseils là chaque jour, chaque jour, parce que l'enfant qui a suivi à l'école, mhm. c'est un enfant qui son avenir est assuré d'avance. Mm. Donc, en ce, qui concerne la, vie dans la société, mm-hmm. l'enfant, c'est l'éducation qu'il a reçue à la maison. Mm-hmm. C'est ça qu'il va eh, pratiquer dans sa vie, mm-hmm. dans la vie, c'est ça qu'il va le faire. Aujourd'hui, vous faites un tour dans la ville, vous allez trouver des, gens qui, des jeunes qui s'adonnent à des activités. Il y a certains qui vont dans la bourse pro pour amener la paille et vendre. Bien sûr. Oui, on, voit de la vie. Mais il y a d'autres qui sont quand même là à train de faire la fada. Moi, par exemple. C'est les ah parents qui leur fournissent tout pour qu'ils fassent la fada. Oui. Moi, par exemple, en étant même à l'école, je fais du colonzi. Et donc, tu es mais des vacances, tu es Ici même, tu trouves ça, même ici, tout, près là, vous allez, vous allez trouver des jeunes, des jeunes mmh. filles qui le font, qui s'adonnent à des activités. Ils, payent l'écologie et puis ils le font en grande vacances. et, à, la reprise, ils repartent à l'école. Ils réussissent aussi. Tout à fait. Merci. Merci. Monsieur,

Oh, ban banga bon mu kyau kai na mu fatala kol mo kawgur kana a aban wadin wo mantichimino zama on a vu des gens kay inde kyaw hun kunnan kito mhm. ilman ba ma nan kito Dieu merci, bon, ça nous. 80 06 88 54, c'est le numéro qu'il vous faut si vous voulez intervenir sur l'émission Tous à la Fada. Vous pouvez ainsi nous envoyer vos questions et vos commentaires ou encore recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Nous marquons une pause si vous le voulez bien parce qu'une pause musicale nous fera certainement du bien et nous allons certainement nous retrouver dans un instant sur cette Fada spéciale région de Sceaux pour continuer ce que nous avons commencé. Alors, puisque c'est le studio Kalangua avec ses 38 radios partenaires, nous avons avec nous ok d'accord euh, des artistes qui font du kalangu alors soit baba aram bata arangte aram karese aram donese doni ne kan de kariyan hare kan za imara gibe kan mama onímọ̀kọ́ yìí náà. Monsieur Ali Seydouya, président des jeunes de la région de Dosso, Monsieur Halidou Boubacar, professeur. recrudescence du grand banditisme dans la région de Dosso. On a largement parlé des conséquences de ce fléau sur la vie des jeunes. Maintenant, on aborde la question des mesures prises pour lutter contre le banditisme. On a une question d'auditeur. Kare Ok, a Police manka gendarme manka force de défense de sécurité ba fo manka er gumo mais manka ba on a la chance d'avoir le secrétaire général donc euh, de la mairie il va certainement réagir par rapport à cette intervention monsieur le G, nous vous écoutons mesure oui, il spécifiquement <coughs> de la frange de la Kabou. Mhm. À notre niveau, au niveau de la commune urbaine de Dosso, mhm. Mhm. Ne serait-ce que tout récemment, on mhm. était en réunion avec euh, le président du syndicat de mhm. Kabou mhm. pour pouvoir mettre en place certaines mesures. Et ces mesures consistent à quoi D'abord, il faut identifier le nombre de Kabo de la ville. À travers quoi À travers des numéros. Parce que quand il y a un intrus, on suppose que même si c'est à 50%, on peut détecter l'intrus à travers le numéro. Si vous n'avez pas de numéro, on sent immédiatement que vous ne faites pas partie de, cette frange-là. Ok. Ou bien en commutativité avec la police. Mhm. Police est manquant. Un doublon de numéro, ça veut dire qu'il y a une intrusion aussi. Mhm. Obligatoirement, on va essayer de déceler ces deux numéros. Ok. Et on travaille aussi avec certaines ONG mhm. qui sont là pour nous aider, mhm. aider la commune, mhm. main à main, pour pouvoir mettre des structures en place, pour pouvoir vraiment canaliser et encadrer les Cap Cabo. Je ne sais pas si on peut parler sur la jeunesse en général. On peut parler sur la jeunesse en général. Et on a un jeune avec nous, il va aussi certainement Très dans ce sens. On peut parler de la jeunesse. La commune encore, sur le point général, le président est là. Je le remercie constamment. Il est à la mairie. De faire un maximum de bruit. pour les il y a pas mal de, mesures qui sont mhm. sur papier aujourd'hui mhm. pour pouvoir encadrer la jeunesse, pour pouvoir encadrer les Cab mhm. pour que vraiment ce que nous vivons tout récemment tente de disparaître. Merci. Très bien. Monsieur le secrétaire général de la mairie, donc de Dosso. Oui, quelqu'un veut parler, mais avant donc son intervention, euh, il va d'abord se présenter. Moi, c'est Ibrahim Abdou. Mhm. oui. Et je pense que... Vous êtes du grand public Oui. Et je suis certain aussi que l'affaire de la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Mhm. Donc maintenant, si... Vous faites partie du conseil régional Oui, je suis membre. Vous êtes membre du conseil régional oui, Alors vous allez parler au nom de vous allez parler au nom de la jeunesse. Oui, oui. Il faut le, mentionner, cette émission. Alors, qu'est-ce que les jeunes sont en train de... Les mesures que vous êtes en train de prendre Voilà. Je pense que s'il y a une insécurité, mhm. c'est bien, c'est une partie de la population qui le fait. Mhm. Et s'il y a sécurité aussi, c'est une partie de la population aussi qui l'agit. Mhm. Donc, euh, je pense qu'il est normal que la population se collabore ensemble avec la, la force de, la, de sécurité mhm. pour assurer notre sécurité. Mhm. donc in kuna da irguna er matukanki mhm. ne phénomène wani agogote da ya ne irsa er bai da watidin oui mm. donc adin Dinga, ce qui fait en sorte que irwana er wana parangai mm. ay tamin gay no sigingay wana responsabilité te matkan kina himanda pourtant yi hayre no gote matka himanda voilà mm. donc hin kuna zankai zai go zanka hmm. ini sara ina hmm. nurdangi dangi ila hangaira mm. hin kuna zanka no gutunu dina don ton dimanti no nur no agne hangi sikoy hmm. e parang ego gumo dan ka guna isna sai haykulu donc yani ga zanko ne woda ko kberi matna ga kiyada batake shem gabi gabi vai si nous voulons être en sécurité là, mhm. c'est ensemble qu'il a décidé de mener à une en sécurité. Mhm. Dans ma il y a des conséquences quand Le développement d'un pays dépend de la sécurité. Sanoban, d'un il faut qu'on Ok, merci. beaucoup. oh mais, <laughs> même Bumbora, Alors, ma soeur, il y en a aussi des femmes battantes dans la région de Dosso. Ok, dites-nous en tant que jeune structure, parce que vous évoluez aussi dans une structure la place. Vous allez commencer d'abord par vous présenter. Est-ce que vous êtes en train d'occuper la jeunesse Parce que qui dit jeune aussi, il faut les divertir. Les jeunes ont besoin de la musique, les jeunes ont besoin du show, les jeunes ont besoin de l'ambiance. Il faut que l'ambiance soit phénoménale en termes fada. Vous allez vous présenter et nous dire les mesures que vous êtes en train de prendre aussi dans ce cadre. Donc, euh, comme j'ai eu à le dire, je réponds toujours au nom de Mademoiselle Hamane. Toujours, vous ne changez pas de nom de temps en temps comme le Yoruba Le nom ne doit pas être changé. <laughs> Nous sommes en train de faire tout notre possible pour montrer à la jeunesse, surtout féminine, que euh, vraiment nous pouvons faire quelque chose nous pouvons nous battre. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui toujours euh, attendre euh, ou bien euh, recevoir les gains faciles des hommes. Mhm. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes en train de motiver la jeunesse pour pouvoir assurer leur propre avenir. Paraît-il qu'il y a des jeunes filles qui aussi s'adonnent euh, un certain nombre de pratiques, c'est-à-dire poser la fada, chicher. Est-ce que vous, vous êtes en train de prendre des dispositions, des mesures pour, pour les sensibiliser, les, les, amener à faire autre chose que ça Est-ce que Arango Kandaran Kamkokar, est-ce qu'Arango jeune fille est sensibilisée Parce que dîner, activité, moment, soirée de semaine, est-ce que semaine aura formation Est-ce que Arango Koy Gondézé est sensibiliser Oui, nous sommes en train de chercher à le faire uh-huh. puisque toute chose a besoin d'une bonne euh, organisation. Uh-huh. Il faut voudrais savoir, prendre des mesures, puisque tu peux pas attaquer l'être humain brusquement comme ça. Mhm. Tu dois l'étudier, tu dois prendre des mesures pour pouvoir bien l'aborder. C'est ce qu'on appelle en sociologie mhm. la, euh, euh, la bonne méthode d'approche. Alors on va peut-être euh, permettre aussi... à une autre hein, dans le public d'intervenir. Vous voulez dire un mot par rapport à cela Vous allez commencer par vous présenter. Je réponds au nom de Ousmane Hamani. Mhm. Eh, membre du cadre de concertation des associations des jeunes. Eh, aujourd'hui, nous, on est en train de, de cultiver eh, une culture à l'endroit de, de, la jeunesse qui est le développement à travers les, les différentes formations qu'on est en train d'organiser à l'endroit de la jeunesse. Par exemple, la, formation en entrepreneuriat et aussi à la vie associative. Il faut <coughs> noter ici que si euh, les jeunes se regroupent en association pour réfléchir à ce qui va les, développer eux-mêmes, mhm. euh, on va vraiment trouver euh, des mesures pour éradiquer ces, fléaux. Merci. Alors, ce qu'on va faire, je rappelle, vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 Mettons une pause pour souffler musicalement et nous nous trouvons juste après. Nous sommes toujours avec nos papas, ils font aussi du kalangu. Alors, on va aller avec Kusanda. Nous sommes toujours à la fin d'apposer à Dosso avec euh, le secrétaire général de la mairie de Dosso. Il répond au nom de M. Idrissa Abdou Adamou. Nous sommes aussi avec M. Ali Seydou Yaye, président euh, régional de la jeunesse Dosso. Nous sommes aussi avec M. Alidou Boubacar, euh, professeur du CGE de Dosso. Nous sommes aussi avec la société civile en question et aussi la jeunesse DOSSO. les Fadantiers. Je vous propose d'écouter un élément arme légère et tout de suite, la suite. Ce plan d'action est consacré exclusivement à la lutte contre la circulation et la prolifération des armes illicites. L'objectif, c'est essentiellement de concentrer nos efforts sur euh, l'aspect contrôle des armes, étatiques d'abord, que nous allons faire à travers un programme que nous avons appelé le programme sécurité physique de la gestion des stocks d'armes et de munitions, de façon que les armements gouvernementaux soient bien contrôlés, et de l'autre côté, de veiller à ce que, au niveau des populations civiles, il n'y ait pas de détention illégale d'armes à Nous avons déjà exécuté un plan d'action 2013-2018 et à l'issue donc de ce plan d'action, nous entendons poursuivre une nouvelle dynamique en tenant compte du contexte sécuritaire donc actuel et en tenant compte également de l'implication de tous les acteurs. Alors, on était donc avec le spécialiste euh, du ministère euh, de l'Intérieur. Ils sont donc en train de prendre des mesures pour donc justement tellement écouter avec attention. On voudrait donc avoir partant de ces mesures quel propos, quel encouragement. Quelle, quelle suggestion, monsieur le secrétaire général Vous savez, les États développent euh, chaque fois des, politiques mhm. de prévention. Mhm. Notre pays n'est pas en reste. Mhm. Nous encourageons les ministères vraiment de développer cette politique de prévention. Cette politique va nous rassurer vraiment une certaine aisance, mhm. une certaine confiance mhm. de vivre mieux. Et cette politique, Inch'Allah, je suis sûr, ça sera étendue. Est-ce que cette politique sera possible, monsieur le chef Oui, bien sûr, il faut y croire. Oui, en termes fada. Nous, on fait la même fada. Quand un État développe des stratégies, mhm. il ne faut pas être pessimiste. Mhm. Il faut être optimiste d'abord, mhm. en contribuant, en donnant sa pierre à l'édifice. Bien sûr. Si ensemble, toutes les couches sociales nous mettons la main dans la main mhm. avec les ONG, mhm. avec euh, les FDS, mhm. avec la police, tout ensemble, avec surtout aussi les parents, nous pensons que nous pouvons parvenir ensemble. Il ne faut pas tout rejeter sur l'État, c'est tout le monde qui doit contribuer. C'est ce que j'ai dit. Merci. Avant de clôturer cette émission, nous recevons <laughs> l'homme qui va à la pêche, aux infos sur l'Internet. J'ai le nommé Mr. Olivier, c'est notre paparazzi. Salut à tous dans la chronique de ce soir, parlons changement climatique avec ces inondations qui sévissent à Niamey. Les habitants n'ont plus l'esprit tranquille, ils dorment mais sans vraiment dormir, sachant qu'il y a un risque à côté et qu'à tout moment tu peux te trouver sous l'eau. Les habitants de Niamey ont goûté à la mer expérience du débordement des eaux du fleuve Niger. Plusieurs familles ont dû quitter leur maison comme vous pouvez l'entendre dans le son qui vient de passer. Pour l'occasion, des appels à l'aide sont lancés sur les réseaux sociaux par des volontaires et aussi certaines associations. Respecte mes terres, je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Au total, 42 morts et près de 70 000 victimes. C'est le bilan des inondations dues aux fortes pluies et à la montée des eaux du fleuve Niger cette année. Bilan dressé le 3 septembre à Niamey par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Où que vous soyez, que la solidarité nationale se manifeste afin que chaque Nigérien puisse bénéficier de nos générosités. Faites un don pour aider ses familles. Tournons la page des inondations et partons à présent à Agadez pour parler de la fête de Bianou, une fête authentiquement agadésienne que le sultan appelle à préserver. Ces derniers temps, nous avons tendance à voir nos nos jeunes frères, nos enfants, en train d'utiliser des choses telles des mortiers, des choses pareilles. Alors que le Biadou est une fête authentique, authentiquement agadésienne. Bonne fête à nos amis de la région d'Agadez et retenez que la fête de la cure sarlé c'est cette année du 13 au 15 septembre à Ingal, une fête à connotation culturelle qui réunit les éleveurs de la région. Je vous quitte avec cette citation de Jean-Paul Sartre qui nous dit... L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. C'est avec cette citation, cher ami, que prend fin cette chronique et on se dit à la semaine prochaine. Mais avant tout, gardez cette date, le 28 septembre. On garde le suspense. Merci à Seni Issa qui a réalisé cette chronique. Voilà, nous sommes au terme de nos échanges avec nos invités sur la problématique de la recrudescence de la criminalité dans la région de Dosso et Merci à nos invités, Monsieur Idrissa Abdou Adamou, secrétaire général de la mairie de Dosso. Merci aussi à M. Ali Seydou Yaye, président régional de la jeunesse de Merci aussi à M. Ali Douboubakar, professeur CG2 de la région de Dosso. Merci aussi à mon ami représentant de la société civile. On dira aussi merci à la dame qui a intervenu tout à l'heure, qui répond au nom de Rachida. Merci aussi au grand public qui a répondu massivement, que je vous demande d'applaudir très très fort c'est pour vous dire par là que nous sommes entourés par des jeunes, des jeunes dynamiques. Ok, d'accord. Alors pour suivre et recevoir tout le contenu, euh, nous envoyez vos questions, vos commentaires, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. tout ça la fada. Et Niger jeune Nam bon, ne bono ne jinga nafa ne gina hayre nafa den no wote societe ame ame non ne nafa bore kayan zada e kolora kuna e e kan bu goy bobu gon kan bor gingte kan gina ne me hingin famiyo jere kan hun kuna na imman kani hal de na man kani num be kan societe ko no kani woni wo fonda wo hinenor gingana irmir labo china tout ça la fada d'aujourd'hui c'est fini on va mettre l'ambiance et finir l'émission en beauté, tout le monde debout, que la fête commence. Voici donc pour vous de l'ambiance avec mes papas. Aran kare sahare, gano, émission au ban, irim arzanaya, gano, harabo. Aran pareil, 5.